Écoutez, c'est une mauvaise nouvelle, une mauvaise nouvelle en tant qu'amateur, en tant que Nigérien, déjà de savoir que euh, son équipe nationale n'a pas de stade, que son pays, de manière générale, euh, n'a pas d'infrastructure pour accueillir les, matchs euh, de, son équipe nationale. Première conséquence déjà, je dirais qu'elle est humaine. déjà mentalement, savoir que l'hymne national du Niger sera chanté dans un autre stade lorsque le Mina national joue. C'est déjà un premier choc. Maintenant, quand on vient aux conséquences, euh, déjà sur le plan économique, euh, c'est un manque à gagner. C'est un manque à gagner pour le stade, c'est un manque à gagner pour les organisateurs, c'est-à-dire donc euh, la Fédération nigérienne de football. Euh, l'équipe nationale jouera ses matchs forcément dans un autre pays, donc il y aura d'autres critères qui entreront en ligne de compte. Par là, entendez par là la location d'un stade, la location d'un avion, en tout cas de, de, de moyens de locomotion pour transporter l'équipe nationale du Niger vers un autre pays, euh, sans compter tout ce qui est billetterie qui ne véritablement qui ne sera plus géré par, par le Niger c'est un gros choc, comme je l'ai dit tantôt, et quand je pense encore aux aspects économiques, euh, c'est-à-dire déjà que, par exemple, le télédiffuseur haute du Niger, qui est la télévision nationale, euh, ne pourra pas, en tout cas, si facilement produire les matchs du Niger, si toutefois ces matchs se jouent euh, à l'extérieur. première alternative, c'est déjà de faire un gros travail de rénovation pour mettre ce stade général Sénécounché aux normes